Tout d'abord, je tiens à saluer, M. Nyokhaba Diouf, directeur des droits, de la, directeur de la protection des droits de l'enfance et des couches vulnérables. Il m'a convaincu de la vision de son Excellence M. Macky Sall, président de la République. En tant qu'un homme humble, effacé, discret, disponible, disposé à accompagner les couches vulnérables, Nyokoba Diouf est une force tranquille. C'est lui qui m'a poussé à aimer le président, qui m'a poussé à saisir cette opportunité. C'est lui qui m'a poussé à créer, à mettre sur pied le mouvement Ensemble pour Maki derrière le directeur Nyokoba Une fois encore, je n'ai jamais été convaincu mais ce soir, je suis convaincu par cette personne de haute dimension qui ne cesse de poser des, portées, euh, des, actions de haute portée. Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps Après mûre réflexion, de manière très approfondie, j'ai parcouru le PS, e, le Sénégal, le plan Sénégal émergent, le contenu, je l'ai parcouru sur Horizon 2035. J'ai été convaincu. Mais il n'est jamais tard dans la vie. Le président a besoin de coups de pouce, le président a besoin d'être accompagné, le président est en train de mener un excellent travail sur le plan national et international. Raison pour laquelle, une fois encore, il n'est jamais trop tard d'accompagner le président. Raison pour laquelle j'ai saisi cette opportunité, j'ai euh, saisi la pêche qui m'a été tendue par M. Et désormais, euh, comme l'a si bien dit le ministre Pape Gorguindong, en la présence de M. Diouf, désormais la marche pour la conquête de Dakar est lancée. Et je suis là, solennellement, et je suis disposé à accompagner le président à travers la personne du directeur de la protection des couches vulnérables. Justement, comment vous comptez vous y pour Dakar Vous savez, un plan d'action a été ficelé et soumis à M. Ndjouf qui a validé. Dès la semaine prochaine, nous, ferons une tournée auprès des leaders religieux, à commencer par la ville sainte de Touba, auprès du calife euh, général des Mourides Sering, Sidi Mortar. Une audience a été programmée avec Srin Bassiro Abdou Mbake, calife et porte-parole, porte-parole du calife général. Donc une fois reçues les bénédictions reçues au niveau de Touba, on fera cap sur parce que le président a demandé pour qu'on puisse élargir les bases. Et M. Nyoraba est dans cette dynamique, est dans cette lancée. Une fois les bases sont jetées, on, va procéder au déroulement du plan d'action. Et à chaque étape, à mi-parcours, on fera le bilan. Et le bilan se fera devant les responsables devant celui qu'on connaît derrière lui, le bilan se fera avec lui, avec ses militants, avec ses accompagnateurs qui sont en train de faire un excellent travail pour traduire la vision du président de la République. jërëjëf damay yëkkati sama cadeau une fois encore di le directeur de la protection des droits de l'enfant et des couches vulnérables monsieur Niokho Djouf, euh, euh, il n'est jamais trop tard dans la vie

Nous avons le plan Sénégal émergent qui euh, nous ma euh, convaincre na ma waaye moom moo ma a ma jël moo leen militant yi ma am jébbal ko ko ci pour le président de la république mais il n'est jamais trop tard dans la vie donc Pape Gorgui Ngom li une fois encore mooy désormais la marche pour la reconquête de la ville de Dakar est lancée marche est nag dañ ko de ci ginnaw directeur mais duñu yam dakar parce que ministre d'état mbay ndjay bi mu ko recevoiré daf ni ko ñoxobaay bul yam mbaw rek demal fep demal fep waxal ak ñep deglul ñep président loolu la soxla bon nak loolu motax ñun ñi ñame nek ci ginnaw and ak mom liggey bi ko président sang mu doon liggey bo xamni liggey bu rafet la fini ñëkke moy dès la semaine prochaine danuy dem ci Serigne Sidi Mokhtar xatifatul xaam moom mi nga xam ni moo fi nekkal Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul am na audience boo xam ni pro euh, programmé nañ ko ak sëñ Basirou Abdou Khadr moom mi nga xam ne mooy porte dina dinañu dem fépp ci xalif yëpp kër yëpp buñ fa jógee dem Tivaouane dem Ndiassane dem lépp léegi nag liggéeyu Niokhobaye yamatul mbaaw yéen waa mbaaw yéen rek moomu leen ko Niokhobaye national la loolu moo tax. mom au soir des élections législatives mbaw mom waxuma mbaw sax waye président bu ko gëmé dolel ko bu gëna la la la la Gambien ba waxone ni Adama baro bu tëddee ginaawam ba nag président bu tëddee ginaawam ba